les jeunes amis de la fada, bonsoir, Aujourd'hui, nous allons aborder la question des moyens de divertissement disponibles pour les jeunes à Niami. C'est la période des grandes vacances et les jeunes en profitent au max. Après 9 mois sur les bancs, 9 mois à travailler d'arrache-pied pour réussir son année scolaire, c'est enfin le temps de se distraire. Hutu in et selon les psychologues l'association canadienne pour la santé mentale grâce au loisir chaque personne peut atteindre une meilleure réalisation de son équilibre dynamique en permettant à chacun de réaliser ses ambitions les plus personnelles le loisir libère satisfait et favorise aussi l'épanouissement amma wa'annan ne da hutawa nan birnin dabaru ne matasa ke da mi da menene suke tsarawa tsakaninsu amsoshin waɗannan tambayoyin tare da bakin namu na yau a dama yana tare da ahmed usman ile promotor da haraka comedy club shine wanda kuka fi sani da hamed haraka ya ne hamed da dama eh to fanta gamu dai da dama to barka da zuwa hamed a cikin fadar tamu barka ka dai ya kuta da hamed da muna tare da omar gagadu ile sg du comité d'organisation du tournoi des grandes vacances de goudel barka da Bonsoir Omar. Fanta, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Super. Nous avons aussi Salisu Ado, il est danseur professionnel. Barka de Salisu a cikin J'espère que kana quelque part. ouais, juste après Déjà, il y a la pause musicale qui va suivre. Il n'y a pas ceci. Et à côté de Salisu Ado, nous avons Maman Tahiru Boubakar, maestro BMT. Il est promoteur culturel. a alafak haka ne to barka da zuwa cikin fadar damu barka ka dai akan yin shi muna tare da abdulkadir chompiano yan uwa matasa kamar yadda kuka shi yau a cikin shirin namu wanda ya yada zango a nan filin guntiye na za mu tattauna ne akan le distraction de jeunes pendant les grandes vacances ici a Niamey kamar yadda muka saba kuma mun raba wannan fadar mu kashi uku zan fara da les activités de jeunes pendant les vacances Alors, euh, il s'agit notamment des événements culturels, des concerts, des fréquentations, da sauransu. Za mu dai ba su dama tunda muna tare da matasan su yi muna bayani. Hamad da ku zan fara. Hamad yaya nyamai take pendant les vacances. Eh, idan aka ɗauko jigon nan nawo. To, eh, Fanta Merci déjà pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer par rapport à nos activités, je ne cesse de le dire. Merci au studio Kalangu et à, tous, ses, à tous partenaires. Donc, euh, comment je vois les discrétions euh, à Niamey pendant les vacances C'est vrai que je, le vois de deux yeux différents, avec deux yeux genre différents. C'est-à-dire, par rapport à un passé euh, récent, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de distractions à Niamey. Mais là où euh, je, le problème à mon niveau, c'est que par rapport aux autres pays ou aux autres capitales de la sous-région, on est largement, largement en dessous de ce qui se fait ailleurs. Euh, de, de, de Nisama, parce que euh, maintenant, vous pouvez retrouver des activités par-ci par-là à Niamey. Euh, il y a plus de jeunes, en tout cas, qui s'amusent par-ci par-là, que ce soit des activités euh, de danse, d'humour, comme pour moi, c'est-à-dire les TGV, il est là, le promoteur. On voit beaucoup plus. Mais ce que je déplore, c'est qu'ailleurs, ce sont des choses que vous retrouvez même à la télé, par exemple. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont filmées. C'est une très belle production où on diffuse même à la télé, c'est-à-dire même Chichin Salon Inchi Inka euh, mm. tu peux suivre ce genre de choses. Effectivement, le TGV, on voit quelques TGV sur certaines années qui passent à la télé. Qu'est-ce que vous organisez pour les jeunes de côté, moi de mon côté, j'ai mes spectacles d'humour mm-hmm. qu'on organise. Avant, c'était chaque mois, mais maintenant c'est tous les deux mois. Euh, on a prévu en tout cas même une tournée euh, en humour national pour ces vacances. C'est pour septembre, Inch'Allah, qu'on est en train de préparer. Kama Mounazoua, Agadez, Zender, Maradi, Dosso. Mais on commence d'abord avec euh, Niamey. Donc on a vraiment prévu quelques activités humoristiquement parlant. Et également pour se divertir, certains jeunes s'adonnent, à l'a déjà soulevé, au sport. Et l'un des plus grands événements sportifs organisés au Niger, ce sont les TGV, les tournois des grandes vacances. Et justement, nous sommes avec euh, l'un des organisateurs, Omar Gagodou qui est le secrétaire général du comité d'organisation du TGV de Goutel. Donc euh, nous avons commencé ce TGV euh, dans les années de 2016 jusqu'à nos jours. Nous sommes à notre euh, dixième édition si je ne me trompe pas, euh, en termes d'organisation des TGV. en quoi ce tournoi de football contribue à l'épanouissement des jeunes Donc, ces euh, ce tournoi de football qui est organisé dans les vacances permet aux jeunes vraiment de se divertir. Au lieu de faire la fada, et les jeunes se donnent bien au domaine du football. Dans les vacances, Niamey s'anime vraiment avec les TGV. Et euh, est-ce que les jeunes filles s'y intéressent aussi Bon, l'année s'est passée. Euh, en 2021, nous avons commencé à donner euh, l'intérêt aux jeunes filles qui vont nous lancer les, les matchs de gala pendant les ouvertures de, nos TGV différents. Donc, euh, le TGV de Yantala a organisé en 2021 un match de gala des filles. Et en 2022, ils ont pu le faire. En 2023 aussi encore. Donc chez nous, cette année, Inch'Allah, à Goudel, nous allons lancer le TGV avec un match de gala des filles, Inch'Allah. To Omar, la question, nake son TGV ça concerne juste le football ou bien il y a d'autres disciplines sportives aussi? Donc, le euh, TGV il y a un football no le Football mo kir le football pour que bora kulum ka irin maka ne irin pendant vacances parce que les vacances eh, irsinda tan de retrouvailles kolo euh, vacances ino gir permettre irma charmargu irma te euh, ballon parce que dirgune in kuna na sagla bay indunya la bere kango balo jine ime ame football no go gi faire développer on kuna équipe nationale kan timena mena à travers TGVO mina agogo joueur bobe yan recruter on kuna irm ne ko sabu irgan joueur yan bumbo kayan à travers TGVO igo hun kuna a l'échelle internationale zamir ganda zankayan kan bifoda indaino hunkuna a foyongo brésil a foyongo espagne a foyongo canada etc mhm. donc na gode sosai umar a takaice da abin da umar ke nufi shine su sun fi baiwa kwallon kafa karki ado ban manta da kai ba ina zuwa kanka zan dai komo wajen Maestro BMT. Nous avons un maestro avec nous et nous parlons des divertissements pendant les vacances. BMT, comment ça se passe Nous voudrions bien savoir ce que vous faites en fait, concrètement à l'université ou même ailleurs. Bon, à l'université, j'ai déjà un titre et le titre, c'est le titre de délégué général de la commission Faye de mhm. Donc, la salle détente par excellence. Là-bas, nous organisons des soirées, des showcases, des concerts. Nous invitons des artistes, des DJ et nous faisons pas mal d'activités aussi, comme des conférences, comme des ateliers de formation aussi. Mm-hmm. Et pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites Ou bien, beaucoup, en Oasi Voilà, en Oasi, à peu près. En tout cas, on a au moins le, quoi le Plus de la moitié, on a Bab, Ce qui mm-hmm. fait qu'on ne peut pas organiser d'activités pour ce mois. Ah, ok, donc vous, vous êtes en stand-by pendant les vacances Au moins pour le mois d'août, parce que la reprise c'est en septembre. On va devoir attendre jusqu'en septembre pour recommencer les activités. Mais en tant que jeune qui vit à Niamey, mhm. quelles sont les activités euh, disponibles selon vous D'abord, eh, en parlant de divertissement, pour les jeunes, il y a quand de Blue Zone. Je ne sais plus s'ils sont actifs ou pas. Là, c'est un excellent cadre de divertissement, surtout les soirées. S'il faut aller regarder des cinémas, ça divertit. Selon moi aussi, les places publiques, même si l'État doit revoir la, la manière de fonctionnement. Parce que maintenant, il y a beaucoup plus de banditisme, beaucoup plus de, prise de stupéfiants et tout ça. Mhm. Il y a également les, les endroits comme de CCFN. Il y a des endroits comme, euh, par exemple, comme euh, Gandhi, palais de congrès. Littéralement, oui, c'est de la danse moderne, mais je suis beaucoup plus danseur latino. Je fais de la salsa et de la kizomba. sous en tant que jeune pendant ces vacances, euh, quelle activité trouvez-vous les plus intéressante et amusante à Niamey Ouais, bon, comme vous avez eu à le souligner tout à l'heure, hein, les tournois des grandes vacances, en tout cas, ben, généralement à Niamey, pendant les vacances, c'est les activités les plus euh, vraiment, euh, disons, vues. Mhm. Parce que chaque, euh, je dis bien chaque quartier, il ne, faut pas perdre de vue que le football est vraiment aimé par les jeunes. Et donc, euh, vis-à-vis de, ces vacances, c'est l'activité vraiment le plus répandue, surtout à Niamey. Mhm. Et entre jeunes, euh, vous n'organisez pas des, activités Si, si, on organise des activités parce que... Lesquelles et quel genre Personnellement, j'ai aussi un titre à l'université je suis un chef section de danse moderne. Et ce 12 juillet, bien que les gens sont partis en vacances, comme l'a traduit Maestro BMT, avec euh, les camarades qui restent, euh, nous tenons déjà à les informer que ce 12 juillet, il y aura une, une soirée 100% danse, en danse moderne et en danse traditionnelle. Et je crois que après ça aussi, ça va, des spectacles vont suivre, pas forcément à l'université, mais voilà, un peu partout dans les lieux de loisirs, comme euh, les maisons de jeunes de Jadot, ou encore au CCFN ou encore au Canal Olympia. Parce que même eux là-bas, ils ont euh, une terrasse de divertissement qui n'est pas seulement le cinéma et tout. Mm -hmm. Merci beaucoup. yan uwa matasa masu sauraron shirin mu hada fada kun dai shi yanda tattaunawar ta mu kashi na farko ya kasance tare da bakin namu akan les activités distractives disponibles pour le jeune à Niamey yanzu za mu shaye mu baiwa yan matan studio Kalangu fili domin su gabatar mu da wannan shirin nasu mai lakani da la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui dans la rubrique rose, on va parler de mauvaises odeurs. Alors, comment faire pour éliminer les mauvaises odeurs corporelle pour commencer, il faut d'abord modifier son alimentation. Il faut savoir que l'alimentation peut donner une odeur à notre transpiration. Ainsi, l'ail, l'oignon et les épices comme les kiri favorisent les mauvaises odeurs corporelles. Bien que cela soit variable, d'une personne à l'autre. Notez aussi que le thé, le café augmentent la température corporelle. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Pour éliminer ces odeurs, utilisez aussi l'aloe vera. Grâce à ce vertu à la fois hydratante, purifiante, l'aloe vera est idéal pour traiter la transpiration excessive. On peut l'appliquer en gel directement sur la peau. Il hydratera la peau et réduira naturellement les odeurs. Il faut aussi se détendre car parfois les émotions, en particulier les stress, des clanche de sueur. Dans ces cas, c'est au stress qu'il faut s'attaquer. Les techniques de relaxation telles que le yoga, la méditation ou du sport en dansant fournissent des outils précieux pour euh, apprendre à parvenir ou réduire cette transpiration. Il faut éviter les fibres aussi synthétiques car en cas de transpiration excessive, il est conseillé de ne porter que des vêtements en fibres naturelles. En effet, porter des fibres synthétiques empêche la peau de respirer. Donc, il euh, vaut mieux favoriser du coton, la laine ou encore du soie. On choisit aussi des vêtements amples qui laisse la peau respirer. Il faut faire confiance aussi aux huiles essentielles. ne faut pas oublier aussi bicarbonate des soude, car le bicarbonate de soude a une action antibactérienne et peut donc être utilisé comme anti-odeur. Appliquez-les sous les bras, mélangez à de l'eau, mais jamais après l'épilation ou saupoudriez-les dans vos chaussures pour éliminer les odeurs. Vous n'aurez pas besoin de les lever s'ils ne viennent pas vraiment. Et aussi, vous pouvez ajouter le jus de citron qui est aussi très très efficace. Il faut faire aussi attention à son hygiène. Ça semble logique, mais il est important de rappeler que limiter les mauvaises odeurs passe avant toute chose par une bonne hygiène. Nettoyer, quotidiennement votre peau en respectant son pH. Séchez-vous bien car les bactéries aiment l'humidité. Changez très souvent des serviettes. Changez aussi tous les jours des chaussures euh, si vous transpirez beaucoup dedans, si possible bien sûr. Bon les filles, c'est tout pour la rubrique rosa d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine. que se la que te Voilà, amis jeunes, c'était la rubrique rose hein, du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada ah, Que font les jeunes pour se distraire pendant les grandes vacances à Niamey? Deuxième partie de notre fada, passons maintenant au lieu où les jeunes peuvent se distraire. Ahmed da as Mbeata fara tambaya ta na quels sont les principaux lieux culturels à Niamey où les jeunes peuvent hein, fréquenter et se distraire? Donc, euh, Aja Fanta, moi personnellement, je... c'est vrai que je ne suis pas trop trop ancien, mais moi qui suis de la old school, je déplore les euh, lieux euh, culturels d'Ayenzu, ils sont soit morts ou bien agonisants qui ne sont plus d'actualité. Je, sais que quand on était encore plus jeune, le musée national pendant les vacances, mhm. c'était un lieu que nous fréquentions. Mhm. On fréquentait euh, très bien. On marchait même à pied de chez nous jusqu'à jusqu'à là-bas. Donc euh, aujourd'hui, des lieux comme ça n'existent plus. Mais heureusement, d'accord, que on constate que à Koe, euh, certains lieux aussi commencent à, venir. C'est juste que il y a des restaurants un peu partout parce que les, les, jeunes aussi aiment aller dans des endroits comme ça, des restaurants, des parcs. Voilà. Aujourd'hui, on peut même s'isoler un peu, sortir hors de Niamey pour aller. Il y a des cadres comme ça un peu aux alentours de Niamey vers Harobanda ou euh, la, voix de Namaro et autres. Bon, euh, on yawansu d'ailleurs on mais juste ce qu'on remarque, c'est que, comme BMT l'a dit, il y a des prises aussi de stupéfiants, c'est-à-dire euh, surtout la prise de chicha, qui est même interdite aujourd'hui. Euh, moi, j'ai même des jeunes qui me disent, s'il n'y a pas chicha dans, dans, dans l'espace, qu'ils ne vont pas venir. Ce n'est pas un endroit qui va être fréquenté. Vous voyez un peu comment notre culture ou notre sport ou les, les petites choses qu'on qu'on pouvait faire avant que c'est en train de disparaître au fur, au fur et à mesure. Parce que ce qu'il faut euh, garder en tête, comme l'a dit notre promoteur Omar de, de, football, c'est que dans ces activités culturelles, ils sont là les, cadres de, de l'université côté côté danse. C'est-à-dire au moins on apprend quelque chose à l'enfant ou à la, la, personne apprend quelque chose et ça peut même lui servir demain. Je ne vois pas en quoi la prise de chicha peut servir quelqu'un. Donc pendant les vacances, il faut aussi que on puisse se divertir. C'est pour ça que c'est vrai que je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, mais il faut lancer un appel, un cri de cœur pour nos dirigeants que bon voilà il faut que aussi ils aient un regard par rapport à ces activités que mènent on ces, dit que très jeunes. Bien pour la santé mentale. Très très très bien. Nous on le sait. Moi je suis promoteur de Harka Comédie. Encore l'humour c'est autre chose. À côté de lui nous avons Omar Gagadou. Umarku, quels sont les endroits um, na shakatawa eh, waɗanda ke da kwanan babban birnin yamai wanda za ku iya ma matasa su shiri idan suna son faire le vide dans sa tête a se distraire en fait ajiya fanta matkan nin ce da eh ego hunkuna iri iri borai kanga hagwe tawa karengo organisation iro irliye de loisirs da gititerengai <laughs> Bon, nous, on aime le football mieux que tout. Vraiment. Donc, on connaît iris problem folan ka kan wero wero gogdi nongu yongon kan taw kariyan eh, eh, batamaidin no boryan na getenge propriétaire hayo privé yan wala kun da manti niger ay kulkara iga bal kariyan nongu je vais passer cette fois-ci la parole à Ado, le danseur. Pour un jeune euh, qui euh, arrive pour la première fois à Niamey, wa'annan jaje ne kai za ka yi mishi konsayi ina ya kamata ya je idan yana son ya ga yadda ake cewa a hausa et vraiment eh, en premier lieu je dirais de d'abord euh, visiter quelque part le musée national d'abord parce que ça fait partie des, lieux des premiers lieux vraiment à ne pas à ne pas surtout manquer en venant à Niamey parce que c'est malgré que les gens critiquent ce musée là c'est le plus grand musée de l'Afrique de l'Ouest hein. et en dépit de ça parce que ça ne reste pas que aux eaux les gens se réfèrent aux animaux mais voilà il y a aussi les les différents pavillons. Il y a il y a, il y a, huit pavillons à visiter, dont celle de l'uranium, euh, du pétrole, voilà, et les, objets archéologiques et tout et tout et tout, tout ça là. Vraiment, c'est très important. Je ne vais pas manquer les, les parcs. Il y en a beaucoup qui sont au bord des fleuves et tout et tout et tout. Vraiment, il y en a, il y en a tellement. Donc, euh, il y a, des chicoins à, à visiter. Mais aussi, euh, il y a des activités qui, sont, qui seront certainement organisées dans les, les différents lieux de loisirs que nous connaissons à Niamey. Certainement, il y aura des, des événements pendant ces grandes vacances. Les, jeunes peuvent, jeunes peuvent, se divertir. Mhm. Maestro, c'est Gareka. Hein. Et euh, toi, pour un jeune qui vient pour la première fois à Niamey, tu lui suggères quoi Je suppose qu'à part l'université, Kassan Niamey de Kiao comme nous, nous sommes des hommes de nuit là. Ça, ça dépend, ça dépend de qui vient. Si c'est un homme de nuit comme nous là, quelqu'un qui dort pas la nuit, qui aime faire la fête, ah, quand le premier lieu qu'on va lui faire visiter, c'est le One. Ah, c'est une boîte. Mais sinon, personnellement, il y a plein d'endroits. Par exemple, les 100 mètres là. Actuellement, il y a plein de restaurants qu'on a qui sont disponibles sur 100 mètres. Ah, là, là, quand quelqu'un vient à Niamey pour la première fois, il faut d'abord faire un tour là-bas. Après, lui faire visiter nos hôtels de luxe. Faire un tour aussi à l'université. Hein. Parce que là-bas aussi, on a la place à D'ailleurs, c'est la plus grande place de Niamey. Pourquoi pas le fleuve aussi je cherche un lieu public où n'aurai pas à payer, je peux m'amuser. Ça sera où selon vous Ah, là où on ne paye pas, là, c'est compliqué. Hein. <laughs> C'est un zoukomi bianéaché. Parce que justement, l'État ne fait pas le truc. C'est l'État qui doit normalement nous créer des endroits où on peut être libre. Mais quand c'est privé, la personne attend quelque chose en retour. Mhm. Parce qu'il y a les places publiques ici. Mais si vous constatez les places publiques, c'est à peine ils ont fait des, des, des, des choses pour s'asseoir. À peine. Sinon, il n'y a rien pour s'amuser avec. Il n'y a pas de toboggan, de balançoire. De... Mais si tu veux des choses comme ça, mais ça, il faut aller là où il faut payer. Hein. où l'entrée minimum, c'est 500. C'est le parc turc là, c'est ça L'entrée, c'est 500. Ça, nécessite beaucoup un suivi. Mhm. Ah, oui, parce que ça, ça je ne vois pas l'intérêt de, de faire des places, des lieux publics sans pour autant euh, comment organiser comment la, le, le conserve. On doit conserver ces endroits-là. Donc il va falloir vraiment qu'on mette des agents qui doivent surveiller vraiment tous ces biens publics. Bah voilà, on va, on crée des places, mais voilà, c'est désert et puis c'est comme on dit encore, euh, la consommation de stupéfiants a vraiment envahi ces endroits. Tu vois, à un moment donné, c'est devenu vraiment des lieux à ne pas fréquenter. Et c'est pas ça l'idée de ceux-là qui ont fait ces endroits publics, certainement. Donc, elle va vraiment aussi péter beaucoup attention à ce suivi-là. Il faut, il faut vraiment suivre ces endroits. Merci à tous pour vos interventions. On va aller pour la pause musicale et nous allons écouter Yam Yamou de Barakina. Barakina ba Allah, Aino guide, Aino sarking. Aino Sabo, Bébé a Aino, Aino Ganyo, Kondangabi Sebakakao, Asebakakao, Aine se Sebakakao. asuba baka kau nyezo me fala ga aga bagara aine me fala ga aga bagara mm, yama yama iga wo iga te asite isina isuma nyezo yama yama aiga ki isuma ka irko domo na go kena yama yama na. bani ga te yama yama no nisite yama yama na. yama yama ai ga bai masalam hale ga dan ai ga bai masalam fonda ga ku fonda fo ga kini ma ku so bai ga gine ne se ba ne madi bebe ano ah ne se ba ne madi an ka ir er ba ne si bi madi jire ga ba emo no ne ga Ra, rap kware bin bi tik tik iga kar iga kan prigi tik jire ga ku ai ga kai tak tak ga de da lokaci to kak kak iga bi mai mayo sara kuli ne ai ga wani body kuli ne ai ga wani sobe kuli ne ai ga tunga bi se ba ga asibakakau aine megabe sebakakau asibakakau nyezo mefalagabagaro Voilà, mes jeunes, c'était Gabi Sibaka Kauya Barakina Bay, Huta zam ci namu da fada comment les jeunes se distraient à Niamey pendant ces vacances. Troisième partie, nous allons enfin parler des organisations des activités distractives à Niamey. Comme toujours Zanfara de Damanta, Ahmed Haraka. Mhm. Ahmed, vous organisez constamment des activités. Comment ça se passe est-ce euh, que c'est facile d'organiser une activité rien n'est facile. Même manger là, c'est <laughs> difficile. Maintenant, euh, effectivement, Haraka, on l'organise depuis juillet 2019. Euh, d'ailleurs, on va, on va avoir nos 5 ans très bientôt. Bon, au fil des années, à force de répéter, tu, tu finis par t'y faire. Donc, euh, toutes ces difficultés-là, tu, tu, tu, arrives à les surmonter. Moi, aujourd'hui, le seul regret encore que j'ai, c'est que que les jeunes sortent, sortent, que les gens sortent en période de vacances ou bien, en réalité, le Niger rien dans sa globalité, n'est pas quelqu'un qui sort beaucoup pour se distraire. Comment, au-delà même de se distraire, c'est le Nigérien n'aime pas trop, en tout cas, sortir. Par rapport aux autres pays, moi, j'essaie toujours de comparer, de faire des références. Vous allez voir même les restaurants, les vendeurs de, de nourriture ou les restaurants ou des lieux comme ça ne sont pas assez fréquentés parce que chacun préfère rester chez lui. Tomu Haraka, parce qu'on trouve à chaque fois des gens qui nous disent que, voilà, ce qu'on fait là, c'est bien. Ils viennent, ils aiment tout ça là. Mais les faire revenir devient compliqué. Et à chaque fois, on se demande, mais pourquoi Parce que ailleurs, cest les gens en demandent tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas comprendre que dans, dans, des événements, dans d'autres pays, des événements à combien de milliers de places dans la salle, les gens arrivent à remplir tout le temps, mais qu'au Niger, à peine on remplit ces genres de salles. Après, quand on regarde encore, vous voyez, Fanta, quand c'est un artiste étranger qui vient aussi, ces mêmes salles-là seront remplies. Donc, on a quel problème alors Parce que si aussi les gens se plaignent de la qualité, mais venez d'abord, si c'est de la, excusez-moi du terme de la mais venez d'abord ensemble on, oui, ensemble, on travaille pour corriger cette merde. Parce que eux-mêmes qui sont là-bas, là, avant d'aller là-bas, ils ont aussi produit de la mais c'est juste qu'on les a tellement encouragés. Si, si toi, le promoteur, tu, tu commences à ramasser de l'argent, même si tu es maudit, même si c'est de la merde, tu fais, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à produire du bon. Et voilà. C'est comme ça que ça vient en fait. Mais tu ne peux pas rester dans ta chambre. Tu cherches le Ah, j'adore Barakina. Euh, non, non, non. Mais Barakina fait concert, tu ne peux même pas aller à son concert. Mais il y a un problème. Et après, tu dis non, il ne chante pas bien comme Wizkid. Comment Barakina peut chanter comme Wizkid si toi-même, tu ne viens pas l'encourager de lui donner tes 500, 500, 1000 francs, 1000 francs là Vous voyez un peu Et quand on organise, les gens oublient, c'est de l'argent. Que ce soit TGV ou quoi, quoi, quoi, quoi. C'est de l'argent que les gens, oui, les gens des, bourses. Et l'argent là vient d'où C'est pas comme si quelqu'un est là aussi couché où l'État donne. Hein. Non, non, non. C'est des gens qui se mobilisent, des jeunes qui se mobilisent. Donc essayons aussi de sortir, s'il vous plaît, c'est pour votre propre euh, divertissement, c'est pour votre propre bien. Allez-y. Wasu hamburu ni maye eh, 1000 francs. Ay Ya 1000 francs c'est bai <laughs> garitiya margina. Oh garitiya c'est su ba c'est So asbate vous voyez un peu, c'est ça. Moi, je déplore juste le fait que le Nigérien n'aime pas sortir. On est assez limité sur ce plan. Donc, c'est difficile de travailler dans ce genre de choses. En tout cas, pour nous autres promoteurs culturels. Non, mais parce que, sincèrement, c'est... Merci, Ahmed, hein, pour ton intervention. Nous sommes aux gens. Omar. Omar, TG organisation matano a gote Fanta, matkan Ahmedin ki, indun yara mantabi. Ai kulsi te daga ti tejeva organisation ngai kulu aga fargandi non seulement energie kan borai ga dangara da noro bumbo investissement kan borai ga tara kun bo yanda borgo te tgv igi mil kan borgo gudu hay haifo seno borgo gate orke hun kona dir la sabu tagay labai ingay wo ingay no gwamnato no gate laboyi zai se vakansa ra matkan hamadin kiya matkan boro kulni ir kulni da nkuna labu askojin bumbono damanti kan badiyen no go jenese nkun matkan hamed gba harka comedy club da matkan aki nigerian go fata kaga gunno irsite comédien fo irsi beji se parce mhm. que ir labora on a assez de comédiens quand ils sont vraiment talentueux les femmes quand on prend les les Wanouski, les Manou, tout, tout, tout, là. C'est des gens, des gens très talentueux. Et tu vois. eke dirka kun balo do haramu irgan da balize kayan amon to birum ko ga bo fo sambu ga katatare donc ni di akul imdi wo kan iro irga ba ay kul si te falabo gwamnati am kai ga responsabilité irin mo kan goga te irin kai giri responsabilité kan ga sambu irin mo to dai nan kan irga ba parce que hay kul wo kan ni gote on a des très artistes Fogoka. Tu vas voir le, euh, le salle de Gandhi là, rempli, ou bien le stade municipal, euh, le stade Kunche, très rempli, avec 60 euh, 000 personnes. Tu vois Mais on peut dire qu'il y a un artiste national. Il s'est accompagné, il faut c'est. Il faut c'est. On conduit la SABU, Asia Fanta, TGV Folonko Kirgote. Peut-être contribution équipe il fournir. Des contributions qu'un promoteur au Bumbo, nous aucun asi asi ba ha wo kan ekipe ka to bara balai dai amma kom ir bangladeshi dai kan chaque Ta tashino irgate qu'il soit bon ou mauvais wodi wosi jan E hayo eh, Sabu Omar a takaice da abin da Omar ke nufi shine idan muka kama ma na gida na waje ba zai gwada mana komai ba. Kuma kamar yadda nake gani C'est pas seulement pour approuver. Vraiment, je lance un appel à, cette jeunesse qui représente d'ailleurs 76, au-delà de 60% de, de, la population nigérienne. Donc on est nombreux, vraiment, il y a beaucoup de jeunes. N'attendez pas que l'on vienne vous... Les artistes, il faudrait les accompagner. Peu importe les artistes, que ce soit tout ce qui est culturel, que ce soit les danseurs, les comédiens, les footballeurs.

C'est pour parler un peu de ce que Omar dit. Pour la petite anecdote, l'année passée, parce que je suis aussi danseur professionnel comme lui, on était à Lomé, il Irko Lomé concours photo. Et le concours, c'était un concours de salsa. On était parti, il y avait deux catégories. Catégorie où on était couple. avant on a était était groupe est. Donc une catégorie il non kul le premier deuxième premier deuxième Et le concours était couple y il le premier so avant qu'il une délibération était, il concertait tchergamra et les couples là ils sont pas du Togo voilà, merci. Les couples là, ils sont pas du Togo. Genre maintenant, ils ont reformulé un concours au cours et ils ont fait une délibération générale. Il était troisième. Juste parce qu'on n'est pas de Togo. On connaît du Togo, les fonds Tu prends l'exemple des, des compétitions comme Warriors Battle, comme Abidjan, qui est produit par Omar. Au début, c'était national. Vraiment, il a eu de l'accompagnement au début. Après, il a, il a inclus quoi, les, les autres pays. Mhm. Et c'est devenu international. La dernière édition, c'était international. Il y avait les, les galas, les b-boys, les breakdancers du Nigeria. Imagine, on organise un, on organise un événement chez vous. Le premier est du Nigeria, le deuxième est du Nigeria. C'est-à-dire le troisième est du Nigeria. Et quand on était en train de danser, parce que Kika, il reste à Yang. Niger, il chance quoi. Ah, toi, il go gani, go ganu, à toi, il wado. Public qui a bogusi supporté. il mm. est champion quand songa. Zemil kulon champion au songa no. Ou Kika si porté na, bokan si bon 500, 500 fourno. Amaza ken Nigeria, il est fourgon nege restadin. Il nege gani gani fonte, borisitin kuise iko beri abanno konkuro yeyi wone ligina ay kitere safari wallahi niger hinno ngidi wadin maestro kader gona c'est le temps est contre nous kalsuru <laughs> merci à tous hein, d'avoir participé avant de clôturer nous allons d'abord accueillir nos 50% et sa chronique du jour Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet capital qui concerne la sécurité numérique. Il s'agit du piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger. Chers amis de la FADA, il n'est un secret pour personne que ce phénomène prend de l'ampleur au Niger, impactant non seulement les particuliers, mais aussi les entreprises et les personnalités publiques. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes Quelles sont ses conséquences Nous allons ensemble analyser cette situation inquiétante pour les internautes. Commençons par les causes. Le piratage des comptes sur les réseaux sociaux au Niger trouve ses racines dans plusieurs facteurs. Premièrement, faiblesse des mots de passe. Nombreux sont ceux qui utilisent des mots de passe faciles à deviner ou répéter les mêmes pour plusieurs comptes. Cela ouvre une porte d'entrée facile aux pirates. Il y a le phishing. Les cybercriminels envoient des messages ou des liens frauduleux pour inciter les utilisateurs à relever leurs informations de connexion. Ces techniques se perfectionnent et deviennent de plus en plus convaincantes. Il y a le manque de sensibilisation. Beaucoup d'utilisateurs ne sont pas assez informés sur les bonnes pratiques de sécurité en ligne. L'absence de formation ou de campagne de sensibilisation accentue ce problème. On note également euh, l'insuffisance de sécurité des plateformes. Certaines plateformes ne renforce pas suffisamment la sécurité de leur système, ce qui rend les comptes vulnérables aux attaques. C'est tout pour aujourd'hui, amis de la FADA. Rendez-vous demain pour la suite. Merci, Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Ahmed Ousmane, promoteur de Harka Comedy Club. À côté de lui, il y avait Omar Gagadou, qui est le secrétaire général du comité d'organisation du tournoi des grandes vacances de Boudel. Nous avions aussi Salisu Ado, il est danseur professionnel. Maman Tahir Boubaka, Abubakar que tout le monde connaît sous Maestro BMT, promoteur culturel. Kamar yadda kuka ji mun tattauna tare da su akan comment les jeunes se divertissent à Niamey pendant les vacances et même au-delà. Mun ji quelles sont les activités distractives pendant les vacances, ensuite les endroits où l'on peut s'y rendre et enfin l'organisation même des activités distractives pendant les vacances et même au-delà. Anan za mu dasa aya a cikin fadar tamu ta yau sai kuma gobe da Allah ya kai mu na ran da za mu sake dawo muku da wannan jigon kafin nan ku ci gaba da kasance da shirye-shiryen studio Kalangu.